mercredi 14 juin, chers auditeurs et auditrices. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. Je suis Salamatou Kadri alias Sali et à mes côtés Rukayatou Abdraman. La technique est assurée par Saini Issa et Adam Adawaki et à l'édition. Ruki, bonjour, comment tu vas Bonjour Sali, je vais très bien et toi Super cool Ruki, Dieu merci. Qu'est-ce que nous avons préparé à nos auditeurs ce matin comme toujours, Sali, nous offrirons à nos auditeurs un programme rempli, un flash d'informations du loti du sport, de la culture linguistique, la rubrique euh, des euh, pour la rubrique Écho des régions, nous ferons un tour à Tilaberi. Nous aurons notre entretien avec Abdourazak Abdourafa. Il est le président de l'Union des associations des supporters du MENA, l'équipe nationale de football. Nous terminerons avec les messages de nos auditeurs. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec notre flash d'information présenté par Rafika Atta Rafifi. Bonjour. Bonjour Sally, comment ça va Super. Quelles sont les nouvelles de ce matin Alors, euh, pour le flash de ce matin, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra a animé hier dès l'après-midi un point de presse relatif à l'état d'avancement de l'acheminement des pèlerins nigériens à la Mecque ainsi qu'au processus d'obtention des visas dont la date limite est fixée hier. Le commissaire a annoncé, entre autres, que le transfert des, faits, des frais a été effectué pour 15 891 pèlerins et que 1399 pèlerins risqueraient de ne pas effectuer le Hajj cette année si le paiement n'est pas effectif. Ensuite, nous avons le président de l'Assemblée nationale, Séné Oumarou, qui a reçu hier le nouveau secrétaire exécutif de la Commission climat pour la région du Sahel, M. Issifi Boureima. Issifi Bourema a déclaré que le Niger est désormais le pays pivot de la diplomatie climatique au Sahel. Il constituera le laboratoire de l'élaboration des projets structurants dans le cadre de la résilience des populations. Il sera surtout, selon Issif Boureima, le cadre stratégique en matière d'élaboration de mobilisation des ressources pour le financement du projet climatique au Sahel. Pour rappel, la CCRS regroupe 17 pays du Sahel. C'est une concrétisation de la volonté des chefs d'État et du gouvernement africain pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique afin de promouvoir la mise en œuvre d'initiatives et actions devant permettre d'apporter des réponses durables aux effets des changements climatiques de la région du Sahel. Enfin, dans ce flash d'information, ce 14 juin, le monde célèbre la journée du donneur de sang. Le slogan de la campagne de cette année est Sans plasma, partageons la vie, donnons souvent. Officiellement désigné comme événement annuel par l'Assemblée mondiale de la santé en 2005, cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et de les remercier pour leurs dons. Elle est devenue un axe majeur de l'action visant à assurer l'accès universitaire, universel plutôt, à des transfusions sanguines sûres. Le manque d'accès à du sang et à des produits sanguins sûrs, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, a des répercussions sur tous les patients, y compris ceux qui ont besoin d'un transfert régulière. L'une des stratégies de l'OMS consiste à aider les pays à revenus faibles ou intermédiaires à améliorer la disponibilité et la qualité du plasma humain, notamment par une utilisation optimale du plasma obtenu à partir de dons de sang total et par l'amélioration de l'accès des patients au traitement à base de protéines plasmatiques susceptibles de sauver des vies. Voilà Sally, c'est tout pour ce flash d'information. Merci Rafika. Merci Rafika pour toutes ces informations, chers auditeurs. Ce matin, nous aurons l'entretien que nous a accordé Abdurazak Abdur Rafa, il est le président de l'Union des associations des supporters du MENA, l'équipe nationale de football. Ruki, comment il s'agit d'aujourd'hui de football, écoutons ensemble ce son du collectif de quelques artistes nigériens à l'EMENA dédié à l'équipe nationale de football. cikin gida ko kuma a kasuwa cikin gonaki ko kamfanoni duko ina wuri daban-daban sama halishin kala daban-daban zan zancen kwallo ake na kulun gayi da kai da shi ku zo mu zaburo da ke da ita ku zo mu balmatso tare sai mu bada namu kokari tsoho ta gaba matashi ke tsohuwa mai talata ta sai zuwa budurwa mai kwafto duk zaburo domin mu tallafa ah. Ensemble, nous serons plus forts. Ce son a été chanté à l'honneur du MENA national pour sa première participation à la Cannes Gabon 2012. Ensemble, nous serons plus forts. Allez, allez. levez les bras, saluez maintenant. Criez plus haut les noms maintenant. Mena Niger, mena national. Irmoy Borei da Irwan Zankai, Irfa Tauchi Zaida. Après cette euh, pause musicale, chers auditeurs, retour au studio pour la première partie de notre entretien avec Abdurazak Abdurafa. Je le précise, il est président de l'Union des associations des supporters du MENA. Il nous explique brièvement la situation du football au Niger. Monsieur Rafa, comment se porte le football nigérien Je pense qu'aujourd'hui, le football nigérien est presque au, diapason. Comme vous le savez, ça fait quand même longtemps que le football nigérien est en léthargie et cela est dû aux guerres excessives et intempestives qu'a connu ce football. Là, je m'en vais. Euh, vous rappeler depuis 2001, euh, il y a eu beaucoup de dissensions entre les acteurs du football nigérien, et euh, certains dirigeants. Donc, entre eux, ça, n'allait pas. Aujourd'hui, donc, de 2001 à 2009, quand même pendant au moins 8 ans, sinon 9 ans, vraiment, nous avons connu beaucoup de crises, ce qui bloquait, entravait euh, donc euh, euh, la promotion du, et le développement du football nigérien. Nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie, seulement nous pouvons dire aujourd'hui, en tout cas depuis 2009, ça fait aujourd'hui 14 ans que ce football se porte à merveille. C'est quoi se porter à merveille C'est par rapport à l'organisation des compétitions, notamment les championnats et la Coupe nationale. Et depuis donc 2009, euh, nous avons assisté à une euh, assiduité par rapport donc au championnat national. Il est régulièrement organisé. Dieu merci, aujourd'hui, je peux vous dire que le football nigérien va Très bien. Il y a des équipes nigériennes qui sont en compétition, les U23 et l'équipe A. Selon vous, quelles sont les chances pour que l'équipe A de se qualifier pour la Cannes Côte d'Ivoire et les U23 d'aller loin Les U23 et l'équipe A. L'équipe A qui va jouer, Inch'Allah, le 18 juin prochain contre la Tanzanie. À l'extérieur, ils avons une chance et nous qualifier pour la troisième fois à la Cannes. Alors, nous sommes dans une poule euh, où nous pouvons nous qualifier parce que il y a l'Algérie, il y a la Tanzanie, l'Ouganda et le Niger. C'est vrai, nous avons fait un match nul à Cotonou contre euh, la Tanzanie. Nous allons partir, Inch'Allah, pour euh, le match retour. Comptant pour la cinquième journée, nous allons chez eux et je pense que nous allons, Inch'Allah, les battre parce que les poulains du coach Cavani sont euh, à pied d'œuvre à travers donc, beaucoup de stages, à travers les entraînements. Déjà, la plupart de ces joueurs jouent à l'extérieur. Donc, euh, ils sont aguerris par rapport donc, euh, à l'état dans lequel la préparation se, fait. Alors, nous allons, Inch'Allah, battre la Tanzanie à, domicile synonyme de qualification parce que nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est le match capital pour nous et je pense que vraiment on peut les battre. Et donc au frais, je veux dire, à Cotonou, c'était la, première journée et je pense que sincèrement, nous, avons pêché. C'est vrai, dans la cinquième minute du jeu, on avait euh, encaissé un but, on avait égalisé. Et je pense qu'on peut faire mieux chez eux, Inch'Allah. L'Ouganda va nous trouver à Cotonou pour les matchs à retour. Il faut rappeler aussi qu'on a fait match mieux chez eux. Et je pense qu'Inch'Allah, on va les battre et avoir la deuxième place sur synonyme de qualification. Au Niger, qu'est-ce que les supporters pensent de l'implication des autorités dans la promotion et le développement du football Notre football est quand même soutenu par les politiques. Depuis en tout cas l'arrivée du président de la République euh, chef de l'État Bazoum Mohamed, nous avons euh, remarqué qu'il accorde un intérêt particulier au football, à la promotion du football et à son développement. Trois fois, il a quand même euh, brandi la coupe pour la remettre au vainqueur. Ça fait plus de 20 ans, on n'a pas connu ça. Depuis et euh, Donc on n'a pas euh, connu donc euh, cette occasion donc de voir un chef de l'État ou un président de la République faire le déplacement du stade Saint-Conti, donner la coupe au vainqueur. Donc ça veut dire que le président Bazoum il accorde un intérêt particulier au football. Ah, le souci vraiment de pousser le football nigérien pour que au moins nos joueurs soient vus à l'extérieur. Et c'est ça, il a ce souci-là parce qu'on lui a expliqué le fait que nous sommes toujours absents dans les stades européens et parce que euh, on n'est pas soutenu par leur politique. Alors, il avait compris. Vous avez vu comment elle, donc, elle a rehaussé l'enveloppe par rapport au championnat plus coupe. C'était 3 euh, millions, 4 millions, 5 pour le champion, 3 millions pour le vainqueur de la coupe nationale. Lui, il est parti à 50 millions. Donc 20 euh, millions pour le vainqueur de la coupe, 5 millions pour les perdants perdant. 20 millions pour le champion et 5 millions pour euh, le vice-champion. Alors, c'est pour dire que, sincèrement, euh, nous connaissons aujourd'hui la valorisation de ce football et l'implication des politiques par rapport à ça. Il est prêt à l'accompagner et je pense que nous n'avons rien à dire parce que c'est visible et euh, je pense qu'avec un tel esprit, un tel soutien, le football nigérien peut vraiment aller de l'avant. Chers auditeurs, une pause musicale avec l'artiste Al-Kassal de Djogorour, qui je crois Djogorour citera, n'est-ce pas Effectivement, Sali. D'accord, on ne vous oublie pas. Un coucou à toute la communauté Peul de Terra. On écoute ça. que vous kiffez actuellement, j'en suis sûr, est un mélange de bolboliel qui signifie flûte en full fulfulde du flûtiste Dialgo, du molo, la guitare traditionnelle de Hamidou Ballo et du son de la calebasse de Boukari Ammi. Ruki genre musical et spécialement joué lors d'un mariage et baptême de l'unité dans la culture Peul. Ah, ah, auditeurs, nous poursuivons la deuxième partie de notre entretien avec Abdelrazak Rafa. Très souvent, il est reproché aux supporters et amateurs de football de bouder le stade. Qu'est-ce qui est à la base de cela et comment ramener ce monde au terrain C'est normal. Vous savez, depuis belle nous connaissions le football à travers des équipes civiles, ce qui fait que euh, donc les équipes euh, ont leurs propres supporters appartenant au quartier donc auxquelles appartiennent ces équipes, euh, notamment euh, l'Olympique. Euh, on dit l'Olympique, on dit la course, on dit quand on dit le Sahel, on dit euh, on dit Zumonta, on dit Zango, on dit Liberté, c'est Liberté. Alors quand ces équipes jouent, jouaient, c'était vraiment l'engouement y est parce que les joueurs avaient l'amour du quartier, de défendre les couleurs du quartier. Donc l'argent importé, importé peu en ce moment c'est le talent, c'est euh, l'honneur, le courage de vaincre, la volonté de vaincre pour vraiment essayer de sortir le nom du, quartier. Donc aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a une prolifération de clubs euh, militaires et paramilitaires, et ce qui fait que même s'ils jouent, les enfants ou les supporters de ce club ne sont pas si nombreux afin donc euh, de créer un engouement ou de, de rendre plus vivable le football. Ce n'est pas très gai quand c'est les autres équipes qui jouent, notamment donc les quatre équipes dont j'avais cité. C'est la même chose à Maradi avec Jean Gorzo, même chose à avec euh, Nassara, la galerie Nassara du Zander et puis l'Espoir. Aujourd'hui, tous ces clubs-là, euh, vraiment, sont, sont dans, une situation très critique, ce qui fait que donc euh, ils ne produisent pas un, très bon jeu. La plupart même sont déjà tombés en division inférieure. Et donc, euh, on ne peut pas, avec, euh, sans eux, on ne peut pas vraiment, on ne peut pas avoir un public. Ce qui fait que maintenant, c'est vrai, quand on peut se référer à la dernière euh, finale, celle du samedi 10 juin dernier, nous avons vu comment, en, tout cas, les gens ont commencé à, revenir. C'est vrai, il y a l'implication aussi du politique, des présidents de la République quand ils se déplacent. les gens donc pensent que, en tout cas, peuvent se dire qu'il ah, y a un intérêt qui est accordé par les père de la nation, pourquoi ne pas aller voir Et même si ce n'est pas nos équipes qui jouent, parce que c'était l'AS, euh, douane, euh, l'AS euh, GNN, l'AS garde. Donc, mais les gens ont oublié que ce sont ces équipes qui jouent et les gens ont répondu massivement au stade pour assister à la finale. Donc, si la qualité des jeux y est, même si donc, les équipes n'appartiennent pas au quartier, je pense que le public peut aller euh, vraiment apprécier le talent des joueurs. une dernière question, est-ce que l'heure n'est pas arrivée pour les privés d'accompagner les efforts de l'État dans le développement du football Au Niger, on ne peut pas parler de, des privés parce que les privés, comme l'on l'indique, ils cherchent l'argent. Et les privés pensent qu'aujourd'hui, on ne peut pas, on ne peut rien avoir en retour quand on finance un club ou une équipe donc, euh, le Nigerien a mal compris. Et dans d'autres pays, dans beaucoup de pays, même de la sous-région, c'est les privés qui vont, qui financent le football. Parce qu'ils savent que financer le football, euh, un football n'est pas synonyme de perte. Il suffit, même si vous n'avez rien en retour, vous pensez qu'en tout cas, en créant ou en fabriquant des, très bons joueurs, des joueurs de qualité, ils peuvent être vendus. Et nous pensons qu'en tout cas, avec un peu euh, de communication, il faut sensibiliser avec des bonnes approches, on peut amener les privés nigériens à s'intéresser au football et à les financer. Merci. Place à présent à notre rubrique hebdomadaire. L'Institut international de recherche sur l'agriculture des zones tropicales, Semi ardites et chrysates a servi de cadre au lancement d'un projet dénommé Agro la semaine dernière. L'objectif de ce projet est de créer un cadre d'échange multi-acteurs sur la gestion, le recyclage, la valorisation et l'utilisation des déchets urbains pré-consommation et post-consommation. Écoutons Dr Boshir Bodo, enseignant-chercheur à l'université Bouboukarba de tilabiri, co-coordinateur de ce projet. Et le micro de notre reporter Omar Hamma. Le projet agro fait suite euh, au projet agro tout qui est un projet qui s'intéresse euh, à l'agrovalorisation euh, des déchets donc les déchets sont essentiellement des déchets qu'on produit au niveau donc des ménages mais également tous les déchets qu'on peut retrouver au niveau des zones des marchés au niveau donc des zones de restauration que ce soit les hôtels ou bien les restaurants au niveau donc des missions notamment les activités sociaux professionnelles qui produisent donc ces déchets là donc on essaie effectivement de regarder comment est-ce que ces déchets là au lieu qu'on les voit comme étant des contraintes, mais non, qu'on puisse euh, les regarder comme des opportunités, euh, arriver à les composter ou les co-composter pour pouvoir euh, amender donc les sols et pouvoir booster la fertilité, enfin les rendements agricoles. Donc le projet vise globalement la valorisation des déchets dans les zones urbaines et périurbaines du, du Niger. Quelles sont les villes concernées et les régions alors, donc pour ce projet-là, cette phase-là, les villes qui sont concernées sont la ville de Maradi et euh, la ville de, Niamey. Parce qu'il faut se dire, dans la première phase du projet, on a plutôt euh, Maradi, Ouagadougou et Abidjan. Mais cette fois-ci-là, on a préféré se focaliser donc sur euh, ces deux grandes villes du Niger qui, en tout cas en termes de production de déchets, là, c'est très important. Donc ces déchets, il faut partir hein, sur le principe que ce sont les zones rurales qui produisent les denrées alimentaires. Ces denrées alimentaires-là se retrouvent dans les zones urbaines où ils sont consommés et après ça devient des déchets post et pré-consommation. Ces déchets-là sont essentiellement des nutriments en termes de quantification, mais c'est que nulle part ailleurs on voit un retour de ces nutriments-là dans les sols des champs ou bien des producteurs, euh, enfin des sols des producteurs ayant servi à l'élaboration de ces denrées-là. Donc ce projet vise justement donc à boucler le flux de nutriments euh, pour que euh, ce qu'on a en termes de déchets entreposés de manière sauvage dans les zones urbaines puisse retourner dans la terre des zones de production. Euh, la durée de ce projet C'est pour une durée euh, de trois ans. Donc euh, ça a commencé au mois d'avril 2023. On va aller jusqu'à 2026. Merci Omar pour ce beau reportage. Fidèles auditeurs, marquons une pause musicale pour écouter Sonia Libert du groupe Soga. Dédié à Sonia Liber, le premier souverain de l'Empire Songhai et 15e souverain de la dynastie sunnite. Il était un brillant stratège, il aurait mené 32 guerres en 26 ans et les aurait toutes remportées. Un vrai guerrier. Ah du groupe Soga. Ruki dans la rubrique Éco des régions, on Direction Tilaberi dans le département de Balayara où chaque année à l'approche de la saison des pluies, plusieurs agriculteurs du département pratiquent le semi-sec appelé Bismna Anzarma. En effet, cette pratique consiste à mettre les semences sous le sol pour attendre les premières pluies, suivant ce reportage de Hassan Momouni. yeru kul kaŋ kaydiya go ka alfariyango ni kaŋ ganga hene dumay sambu ko ga bisina ga haro hangan salu udu balara agriculturo komino agir fahamandi ifo seno alfaray go ga dumiyongo wote to bisin wode matkala har gurgi jew batuno har gurgi jew batu jew batu kiti bor kan na faray ga ba da dum cirin to ni sinigir faray kuduma ko bore kayan gonda fari bo baydani igin ga bisina kan ganan da har kan ya hane igin ko faray kan cin dimo duma amma bisin go nan fonda kigi him gi gananda fonda kan ga alfaro fulan zam da fonde kan nan ta jo da har kan amzada giti igina da digi bisinte igike ki safari kan sigine fazon idin gidan ara kan nan cure sa haino fisi kan nan konde sa haino sambu diga bisinate ifoke bunga mu koy ganda 5 koy 10 cm kine kan nan ba haro temimisi haro sirin haino furandi har kul kan to ado kul haro ta tabbatandi kan kaidiya haro ma jibu umaru soji zenuno kan ga antre nongo balleara agonde jiru woyi kindugu ato jiru waran ka kan da kaidiga ka aganga ino sam sambu ko bisina ay go bore kanga businega busina borfon igate borfon sa sonde kanga yekane o balara ay gondi jiru waranka cindi fo kay ay go guduma wat le go busina busina sig sar alhamdulillah ay go gir ko sabu ko enin de fils billahi de mata kanga ay go gudunda ay gante mois de mai wala juin alfarikayen goga bisinite ke fon iko gudu sandai salu udu komiono kango balera agriculture do ya se yamariyan dangi yacine sandai bo ka garara giti igina sutu hon kun bore ken ska agriculture ga matino irgir gote da boriyan ko ga angre dang bisina angre asi bisina zam angre da haini igor sina jirbi hinzi meno don kan se boraga bisin mo asibai mo han kan se me har kakkan donc angra da haino go bungara e sandai fanoa sandai kan tagti boriyan gono kan isi surugo bunga kar am kar am ko ganda donc zami kika haino furu asfatta wormo bore kayen safardan cure ga haino haino fisi an ko ne ga haino sambu arwate bar seno bisina bumbu irgba mantain kunno igi bisinda danga haino dum wasai ngai wasi haine kanga bisinara zamdu borana haino dum wasa danga bisina agjin ga hay haine se e kware ga atabandi e picure mo ga atabandi ya no zarmene go bor sinda bombere borom man bere kone ga ha ne men kambo nyunugo ngwa ne Fidèles auditeurs, notre correspondant est au bout du fil. Allô Hassan Eh, alo salamatu ni kalbani salamatu <laughs> eh, rukaya matar warwaiti sabai dai no hasan sanga la sabu ga bisina wo inganda dumyan ai dai kan irga bayo fono gonda albarkan dafu to irga ne kur gonda albarka amma bisina mo dai hankan sai gate matkaran ma da reportage ora ine bore kan fare ga bai sai gumo wa za wato dum dokti geno gate donc barkan ga ba ise gumo warad no za gom du zabi se no ikin ko ga du te donc di bisna da har ka kan yan ga du farin ki hin ski te bisna fare kan kin ko ga gudum de no da haro wono de harin jiro bore kan te de ja haro sintin kan i du marai fatta wal matanu eh boren go ba far non go mo ren sintin ba far dan za haro kan no eh, he no sintin fatta sintin far to Chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons le rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou avec Disport. Adam Sariou et notre chroniqueur du jour. Adam, bonjour. Bonjour, salam à tous. Alors, alors, avec quoi nous allons débuter cette page sportive Alors, le MENA U23 prépare activement la Coupe d'Afrique de sa catégorie. La compétition est prévue débuter le 24 juin prochain au Maroc où l'équipe séjourne depuis dimanche afin de s'acclimater. Je propose d'ailleurs d'écouter l'entraîneur Zakariaou Ibrahim qui est joint au téléphone par notre collègue Salamatou Kadiri. L'acclimatation se passe euh, très bien. il s'adapte euh, au nouveau climat. Donc, euh, sur ce point, il n'y a aucun problème. Les joueurs sont au nombre de 26. Il y a 4 qui sont avec l'équipe A pour le match contre la Tanzanie. Plutôt 3 parce que notre gardien, il fait un entraînement de perfectionnement avec l'entraîneur euh, des gardiens. Après, il va nous rejoindre demain. Il sera là avec nous. C'est donc les trois Naïm, Darankoum et Abdurrahim qui seront euh, retenus pour euh, l'équipe A. Ça ne pose aucun problème parce qu'ils vont jouer un, match de très haut niveau. Ici aussi sur place, c'est pour jouer des matchs amicaux. Donc l'un de l'autre, ils vont avoir de la compétition. C'est des, jeunes qui ont déjà le projet de jeu en tête, le plan de jeu en tête. Donc pour ça, il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs une bonne chose pour nous qui ne se blessent pas. Donc, euh, ils vont rejoindre normalement le groupe et à partir du 20, juste après le match, ils seront avec nous. Et le 20 déjà, ils sont avec nous pour Tanger, Inch'Allah. Adam, le MENA national A préparé aussi son match contre la Tanzanie. Oui, prévu le 18 juin prochain, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023, le MENA est condamné à gagner ses deux prochains matchs qui lui restent contre la Tanzanie et l'Ouganda. Et quel est le classement actuel du groupe Alors, à, présent, l'Algérie est en tête avec 12 points, l'Ouganda est deuxième avec 4 points, la Tanzanie est troisième avec 4 points également et le Niger est quatrième avec 2 points. Adam, clôturons avec un mot sur le mercato. Oui, le jeune latéral Adamou Haruna, l'ex-sociétaire de l'AS Nigelec en football, signe avec le champion moldave, le shérif Tiraspol, où il retrouve son coéquipier du MENA, Moumouni Daronkom, actuellement appelé en équipe nationale A. Alors, c'est la fin de cette chronique. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci, Adam. Merci, Adam. Passons à présent à la rubrique du jour. Nous allons à Gamkale, un quartier du 4e arrondissement de la ville de Niamey, à la découverte d'un jeune de 34 ans, Idriss Aboubakar, natif de Kourfaré, dans le Boboy. L'activité principale de ces jeunes est la fabrication des chaussures locales pour les hommes, un travail qu'il exerce depuis 2012. Voici son portrait avec Oumou Oumaru. Fabrication de locale Niger na 2008 na sintin ka dondo ay 2012, nangu 2012 na ka Niger en ya hare wana banda nga ka ni 2012 ora bolla bo bu deno ay way ban tun kal Niger zam zai a jidi yezno ay kwanda daga nodi ne bere godon ayudi kan nango manchale sig duwararu matan kai go duwara alhamdulillah amma ay laminin zer go deno ay moyne to imkay labora ka goy bodo borgo labora ka go bol labo go tonton borbum dim bom mo niga mani gore kani zamni go ni labora bol labo be kuno sin kaina niga mani bafuna kani niga mani business o kani alhamdulillah mo goti ay hina de dando wono ko go gay nonda to son go kan ni gote idrissa tamu teyan tamu teyan ko goy gine wo mun noni goduwe kan ni go tamay wote wallahi goy gina manda mi najer nay duwa. ba dai ai mana ko man dai bon sai bore kan ga ga dai nan gonge mbona je dai no ga dai ai ka liara liyara barkan lai ka sabar da zanka bobayen kan nin dai zanka margina gogoyni sai kayan goni cire dai to zanka kan go cire igutonge bore yagga bumbo kan go cire kul moyi irgo go cerra go du go albarka bo kul go du ngi hina wono de do kay ko bora ngoyendi danga dai susuta alhal dai no inte igo na fara boren gon kan ba kul fa boren amma go go ra zam go kani sai haire kan da yara tanai wodin ni te mai yanno ka gide wala a follon follon ni ginera wala an guro no ni ginera to a kunno igiti igneran da ta ignera an guro amma igo gabo da kiti an gura zan boren gon kan ka kuma dai ce waran suke ke wai ta ci sa dai fan dai da kiliyan e kan numo goyi se kan yanka ka dai so habbiyan ra iga nera iga balle yare labora da koi doso hay nan ki ne da ni zero rak bagum kan yan iga samba hal ga yan boren gon kan sai ga samba kan yan kiliyan no kan yan kuma dai ga dai konda no din ko ka dai hala tawayan ai nan ka goni zero radi dai tubarikallah ga bagumo ne bega do ga kisna hino ga wala ong fo ga wala gin bor fo zami din gonda anni hanno wallahi wadi no kay gina dai irgo lakkar da kaga zami ma ki ne go ga kisna ti hadu da lokcho mon to asti dai no amma mon du ga kisne be kul ga gina i hina wono dai dan doki go gate to ni go kan ni go te ko tu gomni kan duara to alhamdulillah ai be ku kudu gomnara zam go ya dai bonda don don bordu ka hijara arane hijara mo ne go ge bafunate ay hayre mo koyne hina wonde den dey gini muradu feri isara ani ga alhamdulillah hadde borgo hin kambo muradu feri go rawo to kula albaraka kul mamba ba wadin cine to ifo sande kan gon sen goyo kan go tera wallahi goyo wo sandai beru fo sai sara zama tubarakallah goytero deno zam jira wo gabara han foyen goyo deno a gaba diri kom goyo manci goyno kan ga wasu wadai isba kam goy manci boro kunno kam goy kani sai sofon emine gwamnati goy wallahi fo an ga deno me shino don di gonda goyte bobo to kun ligi gina mu agba labora labi zai gana ga lami gina zamu kun me ki no bon ai man ne haifu bai kan ne ta modan ke fo hinka wallahi ban di sinwa ta mun ni kan baga wal mu'min na ta mki da Nigeria a sai no songo kilen bobu goy sai kan yan an fon kadai bora ma ne ngi te bini mina sai mi hinsur go halu no kasuru o goy de no goy ter bobu de no sisa madan goy gina problem alhamdulillah go du hina wono de dando noy foti cien kan ni te danga gina funai inga da futta gaisi to ke yan wo gin funai tabbata kan da yigi yi ga kati bankan gogo gwai wa didi boro agoti hankan ganin labo mu koyi digini zama kan bugwai wanga noga labu tonton manci wai mine na bora ku mine kal gwamnati go bora ku sin ban gwamnati kire amma hadda bora ite kan bugwai tero ga babore ra gumo to kul ala kulli hali bai kul murado ga fere zama din gwanda bor hinka kan gogo ni kire zano di ni ko kal fote wani gwanda bor hinza bor taci bor gu kai mine ni kirno e gogo yango kan bugwai don don za i wani ngemo iko kan ga kan ba tela feri no ya dinga ba gomnato bore imu nan goy tere mu bagumo bore se imu ga kasne te kanga nan bore mu ka godon don futta ge mu ba ni goga cew asin ganji godon don yongo ni gogin cewo te ni gogin godon don wat kurkan cini wanka iko kodordi ni ganoga te borse au ni mudu gwamnati goyo wala ni go kan don don ni bi kan abisin se bo gwamnati go mu ko kati wallo ni go goyo di ngare ko min gwamnati go mo kan bisin se go amma go kam goyo wore asibor furu ara kullu hal matan kurka ci adano albarka ko bon don da za bon don don Merci Oumou pour ces portraits, chers auditeurs, auditrices, reportant en musique avec euh, Soleil Konko. Il nous chante Boss Maikacha. Allah wa ba kai mutu ba wanka mai kiɗa na dawo. Kilge mu je kiɗa in waka ta basu banza. ta basu banza. da kare ka basu banza. wasu mai kaca uban yan banza ai gano mai kiɗa na dawo dole zai kiɗa takin gabas uban yan banza da sai ya kamu yasa yan ƙananan bandi wai su yi su yi kwace kawai su kawo kuɗi agon lahira uban ɗan gata. ya kuwa uban ɗan a shafa agon lahira uban ɗan A wuri da yayi bai zama aiki ba ba uban 'yan banza. Ka ba shi yan kuɗi kawai ya zai dawo can. Aje a kwace yan kuɗi na talakawa. A zo a sha ruwa a yi wasa ana ta sakarci mai kaca uban yan banza. Na yi wa Allah shi bar mu tare da kai nan muna ta wasa kullum. gode maka mamai kai mana hali na kayi

wallahi rakoban tangata ka ba ni kalangu na bar uban yan banza na yi gaban mai kaca uban yan banza Yasa kaji ɗan yara ne gari fiye su yi kwace yaran na shiga sunan sun dawo jina jina ya za a yi uban yan banza ka sa mai yan naka ka su dawo akwai wani nana yana da mai yan shanu amma jiya ya kai su kai kowa ya kai do wasu ka sa yaran naka yau su kai mai hira so kashe shi tun da na san amma kar so kashe tun da na san ɗanai su ɗauke kuɗin dai kawai su yi mai balshi can su shi da mata da yalasi mai kuka amma kar su kashe shi tun da na san lalai su ɗauke kuɗin dai kawai su yi mai balshi can su shi da mata da yalasi mai kuka suka sannu ba su dawo walkaca uban yan banza. Gane yaro mai kafa kwango na wasu uban yan banza. Kilgin kiɗa ka samu. Boss Maïkacha du feu sur le concours qui de quoi par notre loti d'aujourd'hui. De la rubrique loti d'aujourd'hui, Sali, la rubrique traite des problèmes de kidnapping ou enlèvement des enfants dans les grandes villes, un phénomène qui inquiète les parents. On écoute Racha, Rimi et Samira Rouafi. Shina? Shina? Shinununa? A'a, ina yake ne? To, ko ina ya shiga? Bari in shi in gani. Kai, Sulayyaka, baka ga mun shina ba? Hajiya wani mutum ne ya zo cikin babbar mota, ya shiga cikin gidanku da wasu leduna baƙaƙe a hannu, kuma ya fito da shina suka shiga motar suka bi nan haka. Wani mutum? wanda ba babansa ba wayo Allah na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> wayo ne Allah subhanallahi makwabciya makwabciya ina kwana <laughs> lahiya lau wai me ke faguwa ne ha bar kuka mine ne gaya min me ya fagu me ya same ki dan Allah <laughs> wani ya sace mini ɗana ɗaya ɗayan ɗin nawa Shinana. A'a, ta kaka, ban gane ba, wani ya sace miki ɗanki. Ko in ce, kina kallon ina kina aikin mi. Ina gidan hajiya Hauwa, shugabar mata. Kin san yau ne taron matan jam'iyyar kamun jiki don tarbon ziyarar shugaban jam'iyyar. Sai na bar shi cikin gida shi kaɗai gaban tele. Yanzu in dawo in neme shi sama da ƙasa ban gan shi ba. Da na fito na tambayi Sule yake ce min wai wani mutum. <laughs> <laughs> ya zo cikin wata mota baka ya tafi da shina ban san ba ma wane ne <laughs> ha ke ko hajara wallahi Allah kin yi sakaci yaya zaki barin dan shekara biyar shi kaɗai cikin gida kuma wai ki je ban san ma ina ba a lokacin da ake wacce yara goyi a bayan iyayensu ke sai ki ce wai ke ma bar shi ne ma cikin gida shi kaɗai ha an samu sati biyu yanzu wasu maza cikin wata babban mota suka samu yar uwata a kan hanya suka daddake ta kuma suka amshe yaron da ke goye a bayanta ke bugu da ƙari ki ji labarin nan har yanzu ba a san inda suka yi ba da yaron nan. <laughs> na shiga uku, na mutu na lalace. Ya zan yi? Kenan har abada ba na ga ɗana ba. Haba ke ko, kwantar da hankalinki in Allah ya yarda muna iya samun shi. <laughs> to ta yaya? Duba, ta yi ki ɗauko hotunansa, mu ta yi kwamseriya domin mu sanar da ɓacewar shi. <laughs> Menene amfanin sanar da su? za su iya yin wani abu ke ba ma wani abu ba abubuwa kinga za su sa 'yan sanda cikin gari su yi bincike da kuma akan iyakoki za su binciki duk motocin da za su wuce saboda ma in sun yi kokarin fita da yaron kuma kar mu manta abu mai mahimmancin addininmu mu yi kiran malamai don karatun alkur'ani mai girma insha Allahu shi na zai dawo gida to mu je <laughs> Ina da fotunansa cikin wayata. Hajiya, kin ga ga motar da ta tafi da shi nan ta dawo. Alhamdulillahi, ai mai motan, kanin babansa ne. Kai, na gode Allah. Ke Hajara, kanan baban shi sama kanan baban shi ƙasa. To yanzu inda wani ne da ba a sani ba fa to ɗauki shi na. Hmm, makwabciya, wannan shi ake cewa jan kunne. Ai daga yau, na ce daga yau, bana bar ɗan nan shi kaɗai ba a cikin gida. Ba ke kaɗai ba ce, akwai wasu matan ma da ke barin 'ya'yansu su kaɗai kan titi da rana kai tsaka ko ki an aike su sayan wani abu ko ki ga yaran sai e ko safe ko eh su kadai sun dawo ko za su makaranta ai wannan shi ake ce ma ga gabasa to barka dai Allah dai ya tsare gaba amin amin gora kai ina kake zo maza in saka ka baya da mi zan ce ma babanka <laughs> kin ta yi gida hajiya hawa shugabar matan kama jiki makwabciya he ruwa mini asiri kina son ya kore ni daga gidansa ne Hmm. kin san da bai son ina hulɗa da wannan matar ah, gaskiya barka ke eh, barka <laughs> Après ce loti très instructif, passons à la culture linguistique. Fidèles auditeurs, aujourd'hui nous recevons Moussa Hassan. Il va nous expliquer proxénète. Bonjour Moussa. Bonjour Rukaya, bonjour euh, Salam <clears throat> pour euh, cet honneur que vous me donnez. Donc euh, aujourd'hui nous allons parler de proxénète. Et selon le dictionnaire Le Robert, le mot proxénète désigne une personne qui organise la prostitution d'autrui pour en tirer profit. Cette personne est appelée aussi souteneur, maquereau ou machin de chair humaine selon le contexte et la société. Mais à l'origine, c'est-à-dire dans la société romaine antique, on donne ce nom aux honnêtes entremetteurs qui font vendre des offices, qui font des mariages ou des affaires. Euh, pour expliquer, c'est des gens qui ont l'art de parler, la maîtrise des bonnes manières, qui peuvent vendre des choses que la personne a à vendre, matériel ou immatériel, mais qu'on ne peut pas exposer au marché. Il y a quelque chose où tu peux tirer des bénéfices, mais c'est mal vu de les exposer au marché. Donc ce sont ces gens-là qui se chargent de les vendre entre personnes, entre sociétés, des choses comme ça. Et le droit romain donne action aux proxénètes pour leur salaire. Mhm. Contrairement au droit actuel qui punit ce métier devenu avec le temps une exploitation de la prostitution. Par exemple, le Code pénal du Niger a classé le proxénétisme parmi, parmi les infractions liées aux mœurs en son article 292 qui définit qu'est-ce que c'est qu'un proxénète et qui peut être considéré comme proxénète. Donc euh, c'est un délit passible de peine et d'amende pécuniaire. pour revenir au zarma, euh, le mot proxénète en zarma, on dit gumandi webor gumandi ko boryanno kan wati dinwo annasare wone namura za don don hande wate bankan gon ninga harikan ni ginne ni bani min nera amma ag tindi ganim kon haya habu gira dan habora ag a jineinu wala ni bani min jendi bor fosi kan ag tindi ganim ko bora hayije to i igonda dabari igonda igonda sanni gontare kan ngin ko ka talladin te kan sindin boro yi ganda wani ma ha wandi to bore inda musu ne prosenet amma jire ka jire gutun kam hijen diyan har ka gara wal baksine da yewon gwara bore ne te bore di igina fano da burfu ima da wai kurai ka duwara gwamno da bayan bumbu wanga ino ga duwara ga bisa wai kurai mbo kan goyoti ase no wato dinu igi banano ase ba da mata nor kware non gina gbora no kamba kamba dabu fatawci da walmo mo de goyno gogote gutene to yo kai go jiri kulu riba kai dura igin do cini amma songo kan hayate bor fodan muradu jamara yan ina iga jukuru ci tirera bayan niger ci tirara a wani aya zangu hin kan da waje ci din kan tara ina jukke igin boddi kasu imbora jukku mo nur kan aga bana fundi alhaku zama ina da no tale kan lamba ina da mi zai gore hannara hmm. Merci beaucoup Moussa Hassan, chers auditeurs et auditrices. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, au 82 89 89 64. Ruki, il est temps pour nous d'écouter, de, pardon <laughs> s'il vous plaît, d'écouter nos auditeurs. Nos auditeurs kuma ina ɗaya daga cikin masu sauraron studio kalango musamman ma shirye-shiryensu da suke yi na garuruka garuruka jiha jiha yanzu kaga ni na nan gegime amma zan iya samun labarin abin da yake tahiya a yamai kaga kenan ina sauraron irin wannan bututuwa suke da saura da irin na ketare daga labarin wata ƙasa haka to ire irin su da suke yi duka ina saurara eh abin da ya katar da ni daga shirye-shiryen da suke gabatarwa gaskiya journal din nasu wanda suke yi wannan wanda kamar yanzu rahoto haka na difa kaga yanzu ni mazauni gegime ne amma yanzu abin da yake wakana cikin difa zan sani abin da ake yi a cikin zandar zan sani abin da ake a maraɗi zan sani to gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙatar da ni sosai to a gaskiya minti goma sha biyar ya yi amma ni a waje na gaskiya da so samu ne da an ƙara saboda gaskiya batutuka ne masu amfani sosai ni saboda shine ma na fi sauraron radio studio kadangu sosai saboda gaskiya wannan batutuka ne wanda za su wayar ma mutum da kai kenan ya kamata a ce an sa musu lokaci na musamman kamar a kai shi awa ɗaya haka ma inda so samu ne gaskiya ko minti talatin saboda mutum gaskiya abu ne na wayar kai kenan ka gani akwai bukatan a zamana a yi cikakken bayani bisa shi to sashin medinal kuma shi ma dai wani batu ne gaskiya wanda sunayen shi kuma yayi kuma ya dace a ce ana yin shi gaskiya saboda shi ma yana kayatar da mutane kuma mutane suna samun abubuwa daga cikin shi da yawa na wayar da kai kuma gaskiya shi ma yana burge ni yayi wannan saboda duk yana daga cikin wayar da kai amma dai gaskiya kaman yarurrukan da suke yi dai ne yanzu in a ce in suna yi da yaren Hausa ina ji ko kuma da zarmanci ina ji to ya kamata a ce su ma wa'anda ba su ji to ya kamata a ce su ma a sako irin yaren su yanzu kenan kamar irin misali irin yarurrukan da nake cewa yanzu kaga nan gari ne mu irin nan gunduma mu na gegime ma wannan da akwai kabilu kala kala saboda wajen kabila kamar kimanin shidda da ya kamata a ce sun kara irin su tubanci ko barbarci wanga ya kamata a ce sun saka su saboda sauran jama'a su ma su fahimci abubuwan da suke ciki eh suna na Rakiya Salif anan cikin garin gegime ina ɗaya daga cikin masu sauraron studio Kalangu shirye ta da take yi anan cikin garin gaskiya abubuwa da dama da suke yi a nan cikin gidan radiyon na garin gegime sai in ce ina jin shirye-shiryen su daban-daban akwai bisa kan mata kuma suna magana bisa kan tsaro bari haka ce tsaro kaga a wannan yankin namu na difa ko in ce nan jiha mu na gegeme muna fama da tsaro wannan ma sosai muna jin daɗin shi gaskiya kam studio kalangu suna ba da bayanai daban-daban a gidan radio chers auditeurs du studio kalangu pour les titres de ce soir nous recevons Rafika Attaher bonjour Rafika re bonjour. re bonjour qui Alors, dans le cadre de la prévention des conflits en cette période de campagne agricole et la sécurisation foncière, le Code rural organise un Maradi des sensibilisations. Plus de précisions tout à l'heure. Le ministre de la Justice était dans la région de Dosso. Il a déclaré vouloir une justice équitable et appelle au changement des méthodes pour une justice rapide à tous. Vous cuterez aussi dans l'édition de 17h. En fait, la partie magazine va porter sur l'affluence des puissances internationales au Sahel. Merci Rafika. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalongo. Vous étiez en compagnie de Rukayato Abdurrahman et Salamatou Kadri. Le rendez-vous est prêt pour demain avec une présentation en duo. Excellente journée à vous.